Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette euh, édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, à l'instar euh, de la communauté internationale, le Niger a commémoré ce 9 euh, décembre 2022 la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée chaque 9 décembre de l'année. C'était au siège de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia. Le point dans ce reportage. Placée sous le thème Unira le monde contre la corruption, la journée internationale de lutte contre la corruption édition 2022, célébrée chaque 9 décembre de l'année afin d'attirer davantage l'attention du grand public sur ces fléaux qui constituent un obstacle au développement et à l'atténuation de la pauvreté. À cette occasion du lancement de la dite journée à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, le bureau parlementaire de lutte contre la corruption réitère leurs engagements dans cette lutte contre la corruption. Le réseau parlementaire pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est disposé à jouer sa partition et accompagner le gouvernement et la Halsia dans ce combat certes difficile, mais pas impossible, dans le respect de nos prorogatives parlementaires et de façon sincère et avec engagement. Notre réseau a déjà depuis quelques mois conduit un certain nombre d'activités de renforcement des capacités des collègues parlementaires avec l'appui du la, et de la Halcia. En prenant la parole, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, a, après avoir remercié les partenaires techniques et financiers présents à cette occasion, rappelé les impacts liés à la corruption avant de revenir sur les actions de prévention. Le thème de la journée internationale de lutte contre la corruption de cette année met en évidence le lien crucial entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. En effet, la corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée aux conflits et à l'instabilité qui compromettent le développement social et économique et sapent les institutions démocratiques et l'état de droit. À cet égard, la prévention de la corruption la promotion de la transparence, le renforcement des institutions sont essentiels si l'on veut atteindre les cibles prévues par les objectifs de développement durable. À la Halcia, nous avons très tôt perçu cet impératif de lutte contre la corruption. C'est pourquoi les différents acteurs ont été impliqués autant dans la formulation de la stratégie nationale de lutte euh, contre la corruption que dans sa mise en œuvre plus, des conventions de partenariat ont été conclues avec certains organes de contrôle le ministère de la Justice, garde des Sceaux, affirme la ferme volonté des plus hautes autorités dans cette lutte contre la corruption. La commémoration de cette journée placée sous le patronage du Premier ministre-chef du gouvernement confirme l'impulsion donnée par son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, dans son programme politique en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Cet engagement du chef de l'État a inspiré la déclaration de politique générale dans laquelle le gouvernement entend développer des instruments et une culture de lutte contre la corruption en mettant un accent sur l'évaluation et le renforcement des dispositifs de lutte contre la corruption. Le gouvernement apprécie le rôle important que jouent les structures de lutte contre la corruption en général et la Hansia en particulier, dans la promotion de la bonne gouvernance, de l'intégrité, de la responsabilité et de la transparence, qui sont autant de valeurs devant servir de repère à notre pays pour son développement. C'est donc conscient de ces interrelations entre la lutte contre la corruption et le développement que notre gouvernement a intégré la dimension lutte contre la corruption dans ses priorités de développement définies dans le programme de développement économique et social, PDS, et dans le plan de réforme des finances publiques. Pour réaliser ces attentes, des campagnes de sensibilisation et des actions d'investigation sur toute l'étendue du territoire national doivent être menées pour susciter un changement de comportement chez tous les acteurs, publics comme privés. La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Et nous sommes nous donc pour lutter contre la corruption pour un monde plus juste et plus stable. Comme vous venez de le constater, c'est la cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives de la journée internationale de lutte contre la corruption au siège de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, placé sous le haut patronage du Premier ministre Oumoudou Mamadou, présidé par le ministre de la Justice, M. Ikta Abdoulaye. De la Halsia, on se rend à l'Assemblée nationale où s'est tenue aujourd'hui une séance plénière qui a, avec deux projets de loi adoptés à l'unanimité et selon la majorité et selon la majorité des députés comme Selon la majorité comme l'opposition, ces projets de loi vont permettre au gouvernement d'avancer dans les domaines indiqués dans ce projet. Le point avec Aïsadam. L'adoption du premier projet de loi s'inscrit dans l'orientation du gouvernement pour le déclenchement des zones de production transfrontalière. Hamdara, Ouacha, Dongas, frontière Nigeria autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 0015 0042 945 d'un montant maximum équivalent à 50 millions d'unités de compte. Ce projet de loi a été adopté avec 107 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Quant au deuxième projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2016-45 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire en abrégé ARSN a été adopté avec 141 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ainsi, tous les groupes parlementaires ont apporté leur soutien au gouvernement à travers ces deux votes massifs. Permettez-moi, honorable d'exprimer la gratitude du gouvernement pour le vote massif de ces deux projets qui nous examinés les deux projets de loi, dont l'un qui concerne les infrastructures routières et l'autre qui concerne la sécurité des citoyens et de l'environnement en matière pénitentiaire, ont eu un vote massif. Tous ces deux projets de loi cadrent parfaitement dans le programme de renaissance astrale du président de la République, mais également sont privés de la déclaration du Code général du Selon les députés de la majorité comme ceux de l'opposition, ces deux projets de loi vont permettre d'assister le gouvernement à atteindre certains objectifs de sa politique. Amadou exploita un jardin aménagé par le projet 3E Emploi Énergie Environnement. Un système de drainage d'eau solaire permet d'irriguer les plantations, une initiative qui permet de minimiser les coûts de production mais aussi l'empreinte carbone des paysans. Le studio Kalangou. haro kan idumo da gurjina ki kan da tere no ne wo saji no ne wo singa te hari halbor mu dukkali gite ne kal ne o kan dai fari alhali amma shi kal ne wo don ko da kulu goyono kan da wodi ko no kan da goyono nan irto ne wo ku actuellement dai son da kan kan irga dan son cine irga dan o aubergine irga dan albasal irga dan dunize ibo bu kulu irga dan to goyo wora sai dai wo asijan kalde talka wo za a go goyi migi di haifoyen kan migi ne don dai gonda wani ai ga avance for example son duk gonda haifo kan ga bije transporte isenu kanda sito non kan irgo du faciliter ko bisiya kine le groupement est intitulé yotori allah donc de nordire lokoto c'est un groupement euh, nous avons également donc 14 personnes qui exploitent donc ce site le site et est irrigué à partir d'un puits maraîcher qui a été euh, réalisé par le projet 3E. Donc ça c'est le puits qui a été forcé par le projet. Donc là à l'intérieur vous avez une pompe une fosse 5 à 7 qui est immergée à l'intérieur. Donc là sur euh, le puits, on a préféré mettre deux panneaux, deux panneaux parce que c'est pas bon de vider complètement le puits au risque de l'assembler après quoi. Ici ça pompe, mais ça va pomper moins que sur le fleuve. ça à sur le fleuve, vous pouvez faire les 4 mètres cubes heure comme indiqué, mais ici peut-être vous allez faire 2, euh, 2,5 mètres cubes heure par, par, par, heure. Quoi. Le système est autonome, il n'y a pas besoin de le toucher. S'il y a de la poussière sur les panneaux, il suffit d'un seau rempli d'eau on jette sur les panneaux, ça lave les panneaux et puis Il suffit que les panneaux restent propres, c'est tout. S'il y a une panne, ça ne démarre pas, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils font appel à nous et puis on intervient rapidement pour voir, euh, essayer de diagnostiquer ce qu'il y a et résoudre le problème. La cherté de vie est un problème social qui préoccupe la population ce dernier temps. La majeure partie de la population consomme un aliment qui est trop prisé par la population. Voyons cela dans ce reportage de Mamadou Souf. Depuis un certain temps, la farine de blé connaît une augmentation sans cesse du prix. Une augmentation qui avait commencé au cours de l'intervention russe en Ukraine. Un grand producteur de blé. Au Niger, le prix du sac de farine passe de 10 500 à 15 000 francs CFA. Vu la hausse du prix du sac, le prix du kilogramme passe de 400 à 600 francs CFA. Aujourd'hui, tous les aliments fabriqués à base de farine de blé ont aussi augmenté. Le prix de la baguette de pain passe de 150 à 200 francs voire 225 francs CFA dans certaines boulangeries animées. C'est hausse des prix qui n'est pas sans conséquence sur les consommateurs. En dehors du pain, les croissants et autres aliments faits à base de farine ont eux aussi connu ces hausses des prix. Enfin, cette situation de hausse des prix de ces aliments de première nécessité interpelle non seulement les autorités à prendre des mesures d'urgence, mais aussi aux femmes transformatrices à l'utilisation de nos céréales de la pâtisserie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette euh, édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Sat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500.